bonjour et bienvenue sur Tous à la Fada pour ce numéro. Notre thème s'intitule Les jeunes face aux difficultés de la transformation des produits agroalimentaires. Au Niger, depuis un certain temps, nombreux sont les jeunes qui s'intéressent à la transformation agroalimentaire. Nous sommes au 7e salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage organisé par euh, des structures euh, qui excellent dans le monde euh, rural et aussi avec l'appui du gouvernement. Euh, le samedi 26 février et bas en pleine euh, au palais du 29 juillet de Niamey. aran Matikala, mantikala zongugu da waranka Ngaino no ngai tande boreo Modei, iga sanni bobo zanga iginga woni be fagicha bore ankan ngai yadir mono iga Bonferre, margane da mo aren kai gidan araje te le de zaman si sere bon da bangai wan tal talian igite wodi ni fondrano kun kuna ir fada in nirgina sambir ka gorne o sahelo do kair ka mo sahelo do ir gonak fakara ir furta jai me kai barbare nafoni gonuk duara sande fo eno igonak di matani sande dini ikul bonza justement pour exposer leur talent que les jeunes sont là depuis le samedi 26 la transformation des poissons en bouillon des confitures en noyau l'oignon, de l'huile en sésame et aussi bien d'autres merveilles euh, sont au cœur euh, du salon. woni o bonno on koni birim salang bay furta je o sande fandum no i gona gudu mata no i gudu bon zayan i won sande kan i gona gudu se demo mayno gona gani gagsinai gagsinai fodum no i gba ifo no go i ganji mzada matini gite kan na i murado mu gasu woni se no kun san ni bero kair gona ngwa irtina se kala legend face aux difficultés de la transformation agroalimentaire woni bonno on kun fada ir gona ga atene o manti kala minti waran skin lugur char gam rangen fakara ir te chronique ya din mono ir gudo no da demo artiste esprim de chronique ko bumboda ikulu ingai no ka irin kuna fajkara wora hala ir gisenteni rona fajkara dai charan sindi makai no go fakara kura assalamu alaikum eh sunana zabur abdulkarim wanda adda ma'aikata ta yin sarwa kili shi can peyaji sore patrol police amma shago mina da bukkoki daidai pass aom a kote da benefit afuwa Bonjour, je me présente euh, Mele Fanata. Je suis la présidente de l'entreprise Faraha. Faraha, c'est une entreprise euh, de transformation de céréales. Nous transformons euh, beaucoup plus le riz où nous, sommes sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire la production, la transformation et la commercialisation. Irganda Banda, Irganda fatimo neo nyamainago onge mawal kaso me ngwari ngwari yangnag bare hay kusin kan sig bar neo gunimo ami sande tatta si inga ino ikande neo inga mo igi bar bar gete ay foyan kan borem dina fay kan gi semanto kan bore gi bahinano wene o bono er sala ay gisin tinde ni guni mhm. eh kuna ifo se kan arango transformation agro agroalimentaire ora ifo no karango ga checiga hami sa tatta bare to eh song ay go sabu kalonguse kandinno damo ne kan yirum salan hay kan kandir bon kiti fayo difu borno kai koy difa ay di har bo bugon kan ga funir se nodin difa zanga hamisa on kodi difa dabor gabai kanan zangu bon kanan wai hakko hamisa kan go niger difanago. nago wode di go ga ci bore se bore sier da me bore gin koy gun takarda bon wodi nago irwar di hamisa din ba ngai kulu ago fattano ifum ba hinne ngono ne to hamisa di irwar gidi boso kan gonu matinir gati gate ngano irna sigiriyan ka misal iddi kun kundaran koy guna aron mai kan bore wa maji kan bore wa asikan kal dori bore se ga maira inni to in du da bari fokirdi hamusa basodin ngano iddu aron fokirti kan sai gine le kijidi manga le kijidi manga aron no kan irte kan asin da kala hamisa basi kanan di zangobon kanan di wayya ga kulu hamisa basino ngano dangara windu bundu idangara tafarnuwan da yaziyen ga aram fote kan asin da kul kalborse kirisara kala nafa kirkan da ne bore dia bore tabaga idi nuka ka gonna nafa hal bore gabara hal aban bumboda kan na kawo ni sun kuna inna dabar yan sigiri irkan da tattase mu kan hukun daran ko gun buri tattasa igadan foyrawa ta amcire da ne difair gati in tayi hanno in dan yara in dan karton yara kan da si amma da borko ila sabu gidi tattase gona na fubo kaga te borse a bor ganji borum te tension a agbor kuro hansi yi bor in ga dai deno hay kalkal da mai oh. kan kawadin mo irkan de dunguri in kun daran ko gun dunguri kiti n'o kan Niger iga farnan ngai kulu ga wannan go kulu don mo irka da bari fok dunguro se kan se gine hari ko magic kan ga dambarandi oh. ga gano dunguro din har dungu hinno din ara ni gonda dunguri hari hari ni gin gite da dungurin mo kuli ye dunguro din zamo irni hina idi ye gite hamni farin fo kan se gine yani kan go kuna da tiji gin gangwa zankai gin gangwa ni gin gadan fura ni gin gadan na horo bongon wa asin dai kul kala bani ka ga no borsi da vitamin ye so daran koy guni fo sen wodin te mhm. in no wodin te no bore mu dugoi bore mu fam kan hayakir go far a gonda nafa e de bore na barbare a gadan riba labosi akan da goi labora e bore ga bai hayadin ka irgo far agona na fir kulse akande senor sabun se eh, goni irkaniga eh, fati haja fati aramo ifo difono arang barbare ifo difono arang kande ne o salongodo irkanda farinde maisiya kolkote hamnai irkanda hama hamnai irkanda donu irte sesamiya to igabade to eh, nine donu sonda eh. dono ifo difono ifono arande bargete wadoni follon ko dayno donu dayno kan irdan ara cuku idan ara da bino dinga fogina oh, ok da mai senge mo bariyan no gon ke aran cise mm. oh. ni bai farin da mai so wato di bene ni gidai da burcina mm. don kirbun boyar gaba irin tayar kan wana kanga na imir bai wadin sai ne rigate da mai so an kawo kai irga dan haro irga hansano irma dan harora da ta girfo ihinka irma ka irma fufu ta tame yan kirga hagai da am yuttu am bisa burcida wanadi mm. zama an tuka igo ka sai taga igo ne burcina wanadi a gonda zambu wadi sai irmo irgo girgine hanse dini gisa ste gangami mm. yadin no mo asasara aguwo mo gongo nongu Yadino. Euh, on va continuer toujours dans notre émission Tous à la Fada. Euh, aujourd'hui, je suis avec euh, des jeunes, des jeunes qui sont dans la transformation agroalimentaire. Ayrkaniga Abdul Karim Zangzara Marikina Gudu. kilsho wani doga. Alhamdulillah dai a takaice duk ini muna fara kilo ɗari kilo ɗari na kilshi duk ini ni kaɗai yawa kamar a cikin gari ya mai. Kinan muna da ma'aikata kan mutum goma sha shida. Shi sa ga kilishi yanzu duniya duka dana haɗa tazi ne. hatta da mun fara samun kilin masu don saida nan ma tiki ya mai ina da wuri goma da kilishi sari kenan kilishin nan mutane sun fara ganin umarnin shi sun fara ganin jin daɗin shi sun fara ganin jin darajar shi tsarbisa shi kuma ba a numan cawa shi sa nama ke tsada da kilin sai sai haka ma da aiki shi ba aiki bai san mu ma to kuma mun taɓa yin rahi a ma bai sai ba ma shi wannan saboda dalilin tsada amma abu na sauki ko za ku yi sai me sai ya samu hamsin amma gun kilci in kana son ka kilci na kwai sai na cika ya dalilai sannan akwai zancen fannin ta ce zancen ambalaji ambalaji cikin ne ba ina zaka zo a mabuga mace rabuwa na maka wani su ta yi gana waga e eh, kotonu da sauran kasan aka har faransa mara aika ma neman ambalaji ya ga da ne yake abin zai taya da kyau da aka san shi kuma ambalaji shine ga kiran sana'a ambalaji shine ga ɗaukar kayan sana'a abin samu kaso a samu shi su eh Le thème principal, c'est les difficultés que les gens rencontrent dans la transformation agroalimentaire. Gouni, aujourd'hui, vous avez cité tout ça, là, ce que vous êtes en train de faire. Alors, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté qui est en train de vous, peut-être de vous empêcher de faire encore plus eh, ya wala igonda inzorfi hingiyan kan sai gane inox kan ay kulkir kirgu fi sasara sara irgonda machine mo kan turwazan nirga kasani kirdu gi gine din dan ledara irgonda machine mo ikaini foyen ka irbu bona ndo irbo se ka irgiye girgine dan ledara irgonir ambalaje amma har so masala kan goyir sekiti hay kan girgine yendi Oh. wodi masala no gori se kan giyandi yandi ay kan giyandi masala no gori se dai kan mo ge ganan so ido aran ma jo kirgo ne irgo tedin isin mashin kan ga kar ama kari ama dalle da ramata kirga ba oh. idan no te masala kan gori se irgin gane mashin masala no gori se amma isin da masala wane ai kan se gane mater premier hay kan irga hay wadin kan gace kan gace din isin da masala wana oh. fanna euh, le problème qu'on a en fait euh, c'est le problème d'emballage et là euh, moi je dirais que c'est un ouf pour moi. Dernièrement, j'ai reçu également un appui du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Ils nous ont octroyé une machine, une conditionneuse multifonction qui fait le pesage et l'ensachage de tout granulé. Et également, ils sont en train de construire une usine de fabrication de films. Donc cela nous permettra alors d'acheter des films biodégradables et à moindre coût. Erginu fondo goy fanna aja fatara mu sandai fo dum naran go no gudu aran go dai kai no sika wal go jina no saran si fo no sanda. Ah dai kai wa alhamdulillah kai ni kai na yi go girbai. Oh. Ba sandai bo bugara. Oho. Zama di farin de mai so bumbo kolkoto ga cada. Mm ya dimmono an hansiyan womo ne ya aga doro niman ti bor suru no an tuka ni ga labin wara oh. epi mo problem gono ba banan kan ni ga yan dibumbo ngu bumbo zai nano irsi ba mu son kirin wara ga so fam te borai se duri didinga bumbo problem zenano okay to aran ko ma furta je wo se dai manti gojina no ga sandi guniyan wo se matkan no igite ga duga goyo a goy amu bori wai dinno ga yogi sanda kan igo na gudu borai mo inai dai kan gojina ga no chadinga yo do kwalgo to chada kul chada manti ar yanno kan ga fali se dai wadi yang git sande ka yi gona gidi halir kwandir fakara digina ir ko ga hangal supreme se haniz wai ne wora artiste fono irfa karaida guduga koy dirfa karadina kamikaze liman tunga wasu jabaru karai mola karai mola e ma tunga jabbe bora gara ma tunga jabbu tunga gache mala warma et ma sauta sauté commençons d'abord par Plédude puisqu'on avait un peu évoqué un tout petit peu ouais. hier sur l'émission et bien sûr Franco Aoussa mhm. comment est-ce que tu as commencé avec tes frères pour lui c'était quoi prélude, c'était euh, ben, c'est comme dire qu'on commençait quoi. Bien sûr. Donc avec Djouroudji. Ok. Et euh, un album de 8 titres, c'était je crois, oui. Un album de 8 titres. Vous avez fait le vernissage au palais du 29 juillet. Un album de 8 titres. Après, il y a eu dislocation du groupe, divergence idéologique. Mm Kamika s'est retrouvé seul. C'est de ces œuvres qu'on va parler aujourd'hui sur cette émission. Et cité. <laughs> Commençons par Damasite. oui. On oui, peut l'avoir euh... tout petit sur l'émission ben ouais, dans ma cité, il y en a de trop qui rappent, il y a moins de rappeurs. mais il y en a qui font. Pour, faire, et dans ma cité. C'était quoi Il y en a de trop qui font. Expliquez-moi un peu le concept. Ben, c'est pour un peu euh, dire. Euh, en fait, à l'époque, tu vois, euh, il y avait pas mal. C'est comme aujourd'hui, hein, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, en fait, c'est je suis king, je suis king. À l'époque, c'était je suis le meilleur, je suis le meilleur. En fait, c'est les meilleurs d'hier, aujourd'hui les kings. Quoi. Oh, donc, du coup, dans ma cité, il y a ben, qui ma disent cité, qu'ils Qui, qui, qui, sont euh, meilleurs alors que euh, beaucoup pensent que leur rap, en fait, n'était pas du, rap du tout. Quoi. Ah, donc, je traduis toujours les pensées des gens dans mes sons. Bien sûr, euh, parce que tu es aux côtés de la masse populaire. Et en dehors de ma mm qu'est-ce qui est arrivé après City Après City, j'ai sorti un premier album. Un premier album Machallah. Intitulé Intitulé Machallah. Machallah. Ok, d'accord. Super. Un album de de euh, titres 12 titres. 12 titres. Est-ce qu'on peut avoir quelques extraits, quelques tu qui ont marché Ouais. Ah on ne fait pas semblant de me, si tu faut se faire semblant d'abord c'est quand ne fait pas semblant ne me faut pas garder Il faut choisir ton camp on ne te redonne pas le tambour l'hypocrisie le malin c'est mes par Babylone Babylone dis-moi moi quand il t'assaille Machallah, on a eu dans ma cité. Mhm. On a eu, euh, comment ce qu'on appelle à l'instant T, euh, euh, n'est-ce pas, ne me fait pas semblant. Le savez-vous mhm. Parlons un peu de ça. Qui t'a dit que le rap ben, c'était. Euh, c'était une réponse à quoi Oui, c'était une, réponse, tu vois, à un journal qui avait écrit que, que le rap était mort, que le rap nigérien était mort. C'était quoi le journal cité, euh, j'ai oublié, c'était quelque chose star. <laughs> d'accord. Donc, euh, il disait que le rap nigérien était mort, ils avaient cité pas mal de groupes, en fait, de vos vivants, vous étiez en vie. On était en vie. Et euh, le gars, il dit, le rap nigérien était mort. Tu vois, ils ont parlé de la Kalkanei, de Kaiden Gaskia, Rudi Kamikaze, tout le monde. Ah, ok. Le rap nigérien mort. Je dis, mort. Nous en vie, le rap, pas possible. il y aura des rappeurs, il y aura du rap. Bien sûr. Quel titre t'a marqué dans Machallah, toi, en euh, On en a plus à dire. On en a plus à dire oui. C'était pour parler à qui Ben, c'était pour euh, une réponse, en fait, je posais avec. Un député Un ministre Non, non, Le un président de la République Non, non, c'était un Français euh, qui, euh, au que j'avais rencontré au Stéphane, donc, euh, qui essaie de faire la comparaison entre le rap nigérien, africain et le rap français. Quoi. Ah, ah, ah, et je lui disais que, vu que le rap, en fait, quelque part, tu vois, est, une musique de lutte, est une musique de, dénonciation, voilà, tu vois, une musique de, combat, quoi, tu vois, un peu. Je lui disais que, ce, hip-hop-là revenait légitimement, en fait, aux Africains, quoi. Parce que nous, euh, ce, que nous, ce, ce que vivons jusqu'aujourd'hui, tu vois, comme difficulté, les Français ne le vivent pas. Quoi. Tout à fait. Tu vois, aujourd'hui, euh, le, SMIC en France te fait dans les 1600 euros, je crois, ça a changé. Et nous, dans le temps, euh, c'était 1200 euros. Donc, dans les 800 000, 1600 euros, aujourd'hui, à plus d'un million de francs CFA, ah. c'est le plus petit salaire en France. Et nous, c'est. À... Nous, c'est 36 000, je crois. 36 000, <laughs> ah, Regarde. <laughs> nous, on n'a plus à dire. On n'a plus à dire. Ah, bah, franchement, il n'y a même pas de comparaison. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de comparaison. que leur ghetto, c'est notre tombeau leur galère là, nous là, c'est l'enfer ici. On peut, le faire, on peut le faire un peu sur hein? l'émission parce que c'est un thème du genre. Euh, Savez-vous si <laughs> on en a plus à dire Qu'est-ce qu'ils disent eux, Miha Qu'est-ce qui les fait souffrir Avantageux sur nous, leur vie et la nôtre, c'est pas pareil. Ok yeah. Avoir un tout petit peu avancé. Parce que le temps il compte, nous, sommes pratiquement à la fin de cette rubrique consacrée aux œuvres artistiques de Kamikaze yeah. yeah. ça fait le tour du monde. Les <laughs> politiciens, tu sais, euh, à chaque élection, j'avais constaté que euh, partenairement reculé, c'est dans les villes, ils financent, ils viennent, ils nous montrent qu'ils nous aiment, tu vois, un peu, non, qu'il n'y a pas comme nous, tu vois. Et une fois aux affaires, bon ben. On oublie on On nous empêche de parler. casse euh, on a compris tout ça sous cette émission. On espère aussi que le message que l'artiste est en train de véhiculer, disons, l'intello est en train de véhiculer, ne rentre pas dans l'oreille du son. Yes. Ah, oui, c'est quoi le concept là Parce qu'à un moment donné, Kamikaze s'est éclipsé la Il revient pour dire que c'est maintenant qu'on commence. Quelqu'un t'a attaqué pour te dire que tu es mort ou tu es en retraite eh ben, Soyons clash, Oui, justement, c'était pas une attaque, c'était pas euh, un clash, non. C'était, euh, euh, je sais pas, des, affirmations, peut-être des inquiétudes à des moments. Donc, des gens se demandaient, mais Kav, il a arrêté ou quoi Donc, en réponse, je dis que non, non, nous, le rap, y et Moukafara. Et de et Moukafara, en fait, va dans deux sens. Un, dans le sens de dire que non, nous, on est là. Dans le second sens, en fait, pour dire que euh, qu'on est toujours des apprentis. On ne finit jamais d'apprendre. Nous sommes comme Kohara. Un projet d'album Un projet d'album. L'album sera va... Inch'Allah, le 26 mars au Palais des Sports. Parlons de cela, Kamikaze Liman. L'instant est tout simplement solennel. Ladies and gentlemen, l'artiste Kazliman s'exprime. Les projets sont, multiples, sincèrement, euh, comme, euh, comme on vient de le dire à et Moukafara. Donc, euh, on a des projets avec les, jeunes frères, on a des projets en fait en termes de studio, on a des projets, même moi personnellement, donc me concernant, il y a des projets. Les projets, et tant qu'il y aura de la vie, il y aura des projets, quoi. En tout cas, je l'espère fin de vie, fin de projet. <laughs> fin de vie. fin de projet. Mais tant, qu'on sera en vie, ben, on se battra euh, pour, des projets en tout cas. Euh, bah, tant qu'il y a espoir, il y aura toujours Kamikaze, Liman, <laughs> pour continuer ce qu'il a commencé. Nous sommes à la fin de cette rubrique consacrée à l'art et ce qu'il Authentique à l'Ibissi on espère qu'on va te retrouver dans les jours à venir pour qu'on puisse parler du 26 parce que Kamikaze Liman envoie le coup. Sur ce, machine terroriste terroriste, terrorist finish. <laughs> yaadannoo artist espriim seenoo arankoyga hangan mantikala panninonga mo mantika ramara sondaday kanga goni foenno fondongay mo imkaga sala gingay wandiyangoci imatkanno igongay bafunateda halka son furtage kedira wora arangin mo gasamba irse ara wan diyango ir wan sigiro bon ara mate 80 06 88 54 yadino ara masamba jen whatsapp bon ara ngudu hiri wat kulra irgi sabu aran se ir kondir fakara digina ir sikala neo sahelo foiro do sahelo mo mantikala befa berino ka ite neo nyamai bef kanga bora kul no dama bora kul kengo farimo kura haro chi na de windan ta chi na rai kuli gino fondim kaga inga won diengo chi ginga jine befa bora kul mbe matka goronda din fondira no irum kon faji karara de irna futa gem burnya furta gem kay ngay mo ngwari lon ko ngano yi goy bare furta jewo de ingay mo irum dug bay sande kara no yi go guni ayega ka niga Nkuna de Borgba Bormate Transformation Agroalimentaire. Fondo fono Borggana gana kangana bor kampano amte company hanno yadin mono pour s'implanter et durer dans l'état et avoir vraiment les bénéfices et minimiser les risques. Ay sabu son hayr sintara kan bor himagate bor himamte marché gidi ifono boray gaba. Yin kanta yamne ndugonde ha kan bon nugbanamte nimce chabon berey. Yin zanta nim te la sabu gidi hay kan segene plan marketing dinin plan marketing te plan da fero te anga no gana nim di ifo no ni ma ga dai mato no ni ma gine fo no no ni ma ke ci mato no ni ma ga nera e bananta nim du dabari kan ganan nim te kan segene marketing mun gina talla madu radio ira nubumbo dabari fo no ni te nim ci bore sai haya kan nugote ayige kabande gidi haye mo kan himanim nim denim ko kargidi gidi hal igin gi certifié wala harno kan bore ga ba nima di kan gana gine hannenu kan da borana feri asidi ara hifo kan ga binasara da borana wa aga ma akani da borana feri boraga ma hawo ga kanu boraga di aboriyo mo mataki go ga ne randa har yono kan gana kamfano mu koyi da gina mu ko kargidan gidan kamfano ma formaliser mata sai takarda mhm. am sigira am gor kamfani gore oh. yadi ga o hay kulken ci kunnini teno jina halbani yora sintina kai sintin ay sinti takarire din kulu irti asara sondaran ko gudu mangari kaji kampani no kan fu wonno ya de wande dalim yala inga ko kari ga kamfano ne sigiri que kirsintin ko da borgere irgon na masala kiti wat kulkin no nuru dan ikan yarda ga hayate da kanu burekil gima igara da sarmo bure gaba gnin nan hinde kulungano erdi inna dabare ka inna ermin kampono sigiri kirshintin irti asara hami sabo bon irti asara tatasa bon kirti asara manna kirka ne wasa halodo irgini irman nera kul mata kirka din no da. amma prino wa ida haya kirkan da ida te. irguna asara din kulu da haiwa din kulkan ga ayega se berai zama kulkan niga banam te din sintin niga ne agin tabandi to wani ganan bor kulkan na haifo sigiri kan sintin bor musana nima nanan di koi ba jiri waino wato kula harta gino nugu don don kanganan nugu di fo seno wani mante musine bore bara in kuna kul kan di kan bore go nera har no kan bore ni sintin da musu musu toiro haya kirgine bore sai dai nuwa mu kokari hay kul ni sintin wato kullum ce cara bere e fi nim yardan da bore kan ka gidi nim ce cim tare moizi am ka amdi amdi no te no haywara n'o mante bore kan ga dai in gaino gabai hay kan gaiwo gaba gidi ne haya koyi da gina ba kai wai gin gane na fanna quels sont les problèmes que vous vous rencontrez dans votre activité sandai il faut non, je ne trouve pas de problème la, dans la liquidation de mes produits. On produit environ, euh, disons, 100 kilos par jour parce que c'est notre salle de séchage qui n'est pas assez grande pour faire plus. Et comme c'est un produit qu'il faut euh, sécher, soit euh, dans un séchoir ou bien dans une salle de séchage sous les ventilations là, ça fait 72 heures si c'est la ventilation et si c'est les séchoirs, ça ne dépasse pas au maximum 36 euh, heures. Hein. Voilà, donc euh, on n'a pas de problème du tout de, vente. Nos plus grands clients, c'est les fonctionnaires qui achètent beaucoup plus nos produits. Euh, Fati, karan naran shintin. matan da matanaran ce kan gana hunkuna ngane ya gogi zade mai zama ran hinga baka ne obi fado matanaran ce kan zaran ta mun buwaran ga a an cika irwa zair lite a mun bu mm. zama ni jina wa de fallan na dai ani eseye a e gaci inga chala ise no kawo ga dai filani gina aran mo mu dai aran mu eseye inga mo di eseye da kanise inga mo ga ci fo seno to yadin yadin ni so bai gate mm. donc wallahi hun kuno kai alhamdulillah ne rigane so niwo dobor fog bangam kampance dobor fog bingam te niwo no duma fono ni ne borase kangana am sko bu bora ga bora mo sadi wo che yo kanga igite borai se dai no imin gai gogina te i hando im kai ga guna mu bori man tini gonda goyi ze se nim jina dai nim ne ha goyi zo se tare tai se ya ci no ni te ya ci no te aha ne gini kan ba danno nim chebe mat kan na hinga tenise kan aga borin da isin wara labu hun kunwo labu aga haibo busara so dai ni farin de mai sote bor fallan ne dai amara labu aga cingi cala se no ba cala gwadi ne kan ga dai aga na se no no musi dai filan wana kan ga dai before labu ne mara ka kwai gidai filan wana ku dinin goyi jina hanse an tuka cas ni Euh, Goni Irga Karanga, maintenant vous pouvez nous expliquer quel genre de projet on peut euh, développer euh, dans la transformation agroalimentaire aisément sans rencontrer de grandes difficultés. Je pourrais dire qu'il n'y a pas une entreprise de transformation qu'on pourrait développer sans avoir des difficultés. Mais il faut que les gens se rendent compte que les difficultés, c'est ça la réussite d'une entreprise. Plus on a des difficultés, plus on peut relever les défis, plus on va réussir. Nous, on a enduré beaucoup de difficultés et je pense que ce que je dirais à tout un chacun, c'est vraiment, dès que tu vois que ça clignote en rouge, c'est d'avancer et de voir quelles sont les difficultés et les défis que tu vas rencontrer. Aujourd'hui, nous, dans notre euh, cas, on a rencontré d'énormes problèmes, tels que par exemple, euh, à un niveau, euh, le fumage, c'est-à-dire quand on fumait le poisson, on n'arrivait pas à avoir en tout cas le goût qu'on veut avec les poissons fumés. Et à un moment, on était confronté à un problème de conservation de ce poisson. Parce que quand on le mettait dans des paquets, à un niveau, ça périssait. On avait essayé euh, des, conservateurs naturels, que peut-être je ne dirais pas à la radio. Donc, euh, et jusqu'à ce qu'on soit arrivé à trouver en tout cas la formule idéale aujourd'hui qui nous permet de conserver pendant deux ans notre poisson fumé à sec, en tout cas sans qu'on ait euh, aucun problème et de manière vraiment naturelle. Et maintenant, par rapport au paprika, par rapport au tatassé, euh, les difficultés qu'on avait euh, un moment eu, c'était euh, on avait voulu faire du poivron sans autant utiliser les méthodes traditionnelles que les gens utilisaient pour qu'on ait vraiment la meilleure qualité. Mais à ce moment, on était confronté peut-être justement seulement à un problème de couleur. Et à ce moment, après, nous avons jugé utile de voir, en tout cas, de mieux apprécier le choix de couleur avant, en tout cas, de faire la transformation. Maintenant, par rapport au haricot, en tout cas, là, on n'a rencontré aucun problème. On a transformé et ça avait bien donné. Et c'était vraiment, en tout cas, une première, on pourrait le dire. Euh, aujourd'hui, qu'au Niger, on transforme un haricot qu'on peut conserver deux ans et qui pourrait être exportable. Économiquement euh, parlant, est-ce que euh, la transformation agroalimentaire apporte pour les jeunes producteurs aujourd'hui Il suffit de prendre un exemple avec le paprika. Tu transformes un sac de paprika. Si tu suis le processus normal, tu peux gagner 20 000 francs par sac comme bénéfice. Si tu fais 10 sacs par jour, ça te fait 100 000 francs. Le haricot, avec 3 euh, kilos de haricot, s'il est bien transformé, tu peux gagner 1000 francs par kilo. Donc vous voyez ce que ça peut faire. Mais il faut d'abord avoir un processus, un bon produit certifié. Là, à ce moment, c'est à ce moment qu'on peut parler euh, de tous ces bénéfices. Sinon, en réalité, comme c'était notre slogan, mhm. c'est transformer pour créer de la valeur ajoutée à nos produits locaux. Alors la septième édition euh, du Salon Sahel réalisé par l'État et ses partenaires, quel euh, profit vous avez tiré de cette rencontre aujourd'hui, on ne peut que remercier euh, l'État et ses partenaires qui ont organisé ce, Sahel, cet événement. Parce que non seulement au premier Sahel, on était une start-up, aujourd'hui nous sommes une entreprise. Donc ça veut dire qu'on a quitté d'un point zéro à un point cent, on peut le dire. Et puis c'était extraordinaire. On ne peut qu'encourager cela. Et nous, ce qu'on pourrait aussi dire, c'est de voir comment on peut délocaliser le Sahel. S'il faut toujours venir à, Niamey, d'autres producteurs qui n'ont pas de moyens ne pourront pas voir ce qui peut se passer. Ils ne pourront pas assister. Mais si aujourd'hui le Sahel, on le fait à Zander, on le fait à Maradi, on le fait à Tawa, on le fait à Gades dans les autres régions, je pense que quand on est producteur, transformateur, même si on n'arrive pas à exposer, on va avoir des exposants qui font en tout cas des choses de meilleure qualité et qui pourront nous imprégner. Nous voilà en tout cas ce que moi je pourrais dire. Ok, d'accord. Alors un dernier mot envers euh, les jeunes qui hésitent toujours euh, avant de se lancer dans la transformation agro-silvopastorale. Euh, moi je dirais aux jeunes qui hésitent aujourd'hui, l'État ne pourra pas embaucher tout le monde. C'est dire aux jeunes de ne pas hésiter. L'État est en train de déjà faire ses efforts avec l'ANMC, euh, avec la maison de l'entreprise, avec en tout cas beaucoup de partenaires qui sont là en train de vouloir accompagner les jeunes, l'agroalimentaire, si on peut le dire, dans toute sa chaîne de valeur, de la production à la transformation, c'est l'avenir. Aujourd'hui, nous avons été vraiment en tout cas euh, un exemple pour les jeunes de la région de Difa. Et nous sommes une fierté pour la région de Difa. Parce que chaque fois qu'on participe à des événements, il y a des produits nouveaux qu'on amène. Et vraiment, en tout cas, il y a des choses qu'on arrive à remporter. Pour nous, c'est de grandir pour montrer aux jeunes que vraiment c'est possible. Parce que si l'État nous accompagne, les partenaires nous assistent. Nous, on pourra faire mieux, on pourra grandir. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Goni. Voilà, Irsikala, tout ça, la fada sigirobon, ala irga kondiron fakara Dina, irkwegangan, musico se, matka erdona, fondo enera, matkala, kambogoitere musico, iseno irkwegangan, kara burem Discogne, dondonguani bataise, taise gizan katabandi. bataise, taise gizan katabandi. cautionnaire Nkwegangan, amis de la FADA, avant de clôturer, eh, comme d'habitude, on va écouter notre chroniqueur à maison, Olivier Choco, qui va nous parler eh, de sa chronique. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. Pour la chronique de ce soir, nous allons sur les réseaux sociaux, pas pour parler de buzz, mais plutôt d'une réalité féminine qui touche celles qui défendent leurs droits sur les réseaux sociaux. L'activisme digital n'est pas sans conséquence sur le moral, la psychologie et l'honneur de la femme. Par conséquent, ces femmes qui utilisent les réseaux sociaux pour parler de viol, de mariages précoce, de maltraitances féminines sont vues, insultées par d'autres internautes. C'est ce qu'a tenté de résoudre une ONG de la place à travers une conférence sur le thème Quel est le rôle de l'internaute dans la lutte contre les stéréotypes à l'endroit de la femme J'étais allé rencontrer certains participantes à la fin de la conférence. La question du féminisme est en train de causer beaucoup de bruit ici au Niger parce que les gens n'ont pas encore compris le, euh, contexte. Quand on dit féminisme, les gens pensent que c'est une lutte qu'on mène contre les hommes. Alors que non, le féminisme, c'est un moyen juste de lutter pour les droits de la femme. Les droits là qu'on n'a même pas besoin de rappeler aux gens, c'est des droits humains qu'on doit respecter. Les, hommes qui vous disent, vous les femmes, quittez les réseaux sociaux, allez à la cuisine, qu'est-ce que vous leur répondez Je ne veux pas quitter les réseaux sociaux, mais pas aussi. L'heure de la cuisine, c'est l'heure de la cuisine. L'heure des réseaux sociaux pour partager l'expérience que j'ai vécue aussi, c'est à part. C'est deux choses à ne pas comparer. En tant que femme, tu es mariée, tu, devrais savoir que si tu vas sur les réseaux sociaux, tu dois divulguer des SMS très importants à l'égard des autres filles qui ont été victimes de d'autres séquences pour les aider à savoir se corriger pour que dans l'avenir ils puissent devenir d'autres. Et quand c'est l'heure de ma cuisine, une fois mariée, je vais aller m'occuper de mon mari et préparer très bien pour mon mari. Dans un monde de plus en plus digitalisé, la frontière entre le virtuel et la réalité devient de plus en plus étroite. Mesdames les féministes, bon courage dans votre lutte et un conseil, apprenez à bloquer les commentaires négatifs et désobligeants. C'est la fin de la chronique de ce soir. Prenez soin de vous, Paix, lumière, vie, amour sur vous. Big One Love. Bye bye. Euh, merci Olivier, c'était la euh, la chronique d'Olivier. Merci beaucoup à toi mon vieux. Avant de finir, euh, Abdul Karim, keyan fodum no garan se karan tonan di nizel la bizai do hara. Da Allah a rika noma, noman nan shine a cigaban kasa. In ba a noma ba cigaban kasa, masu kudi ba su noma yanzu. Shi sa duwa ga matsala miki cikin ta. Yanzu in ki diki rogo nan ga mai. Kai a ce misali attaqué jihar Takwas il ɗaya na Nijar. Irin motocin da aka kawo daga daga eh, ghana daga nigeria na rogo mu ba mu ɗauka makai can kina ya kamata gonar rogo da an sa shekara guda shi an huta kuma in an kai za a ci riba za a ci hwani shi ya kamata a diba a gani mahukunta su diba taimakawa yadda za a yi a neman rogo kamar yadda an ka tsara mu gashi bisashe masu harka bisashe masu harka abincin wanda aka yi dabbobi to haka harka rogo na kamata ai kokari a samu mutane cikinta don a samu wadata ta kasar Nijar alhamdulillah sai an jima yadin mono nimo fanna quel est ton plus grand souhait pour ton secteur il faut no ba goyo suba moi c'est un appel que j'ai à faire à l'endroit de de l'état c'est vrai que l'initiative 3 les Nigériens les Nigériens, c'est une réalité aujourd'hui. Mais j'aimerais aussi encore que l'État aide davantage dans la transformation agroalimentaire pour qu'on quitte le stade artisanal et aller vers l'industrialisation. Et le deuxième appel aussi, c'est à l'endroit de la population. Nous nous exhortons à consommer le local. Parce que c'est des produits qui sont transformés par les Nigériens, qui sont d'abord cultivés par des Nigériens, qui sont valorisés par les Nigériens. Donc les premières personnes qui devaient consommer ces produits-là, c'est nous-mêmes. Merci bien, fanna irga sabinse newono ir hunkuna fajkara irkagto ame e, wokan irgaga yigiti furtaje wokan yanka newo sayelo do kayanga ngware barbare wokan ifamandir segiti sanda ya inga nonge gonegdi amma dai dirko ba inga yokai inga iskam koli da dai nigeria ngai gonege lakali ti inga wana me ngware wokan ge go barbar dirko ba hanfo kulu inga gezada safa agate mo songumo irga sabarense